waaw monsieur le président ñu ngi lay nuyu le manager général au niveau de Malika Academy Football Club en l'occurrence Karim Mbaye am pour quelques questions performance la à points à points derrière le leader encore lan nga wax performance merci Mansour merci Mansour di leen jaajëfal ci liggéey bu am hmm, aussi euh, population Malika ngeen la voix est vraiment cassée. Mm-hmm. Euh, ce match bi mo mo jaron pour nous euh, parce que l'heure où ni on est on est dans presque à, la 17e journée que euh, 22 journées lañuy def donc il nous reste 5 journées donc euh, té Cambérène jiitoo kanam points Nous, Malika di ñu le match di football ak ñun match sunu match retour ma rappelé ni match aller dañu 0 euh, ñu donc euh, impérativement nous dañ ko gagner impérativement euh, pour que euh, rétrécir Gabi parce que n'a eu 6 points donc les trois points la points. Euh, parce que heureusement les garçons l'ont fait La population Malika on a assisté vraiment en masse soutenir cette équipe nous gagné Cambérène petite victoire pour wax dëgg bu rafet ou on l'a a mérité cette victoire et on l'a eu. vous avez mérité cette victoire et vous l'avez eu vu l'absence de beaucoup de cadre au niveau de, de Academy Football. En l'occurrence, le meilleur buteur du club, en l'occurrence le capitaine, l'incontournable Boscan, et le gardien, l'inomovible Moumourlaï. Euh, nan ngeen su revenir à trouver une équipe très performante pour Manakam victoire le leader. Wow avec beaucoup de schémas possibles hein, parce que Koukham Bali banlieue Malika Yëmbal euh, Kër on a énormément de talent on a énormément de talent euh, donc ñu euh, puiser ci sunu toujours parce que aussi euh, je vous rappelle que sur Malika Academy foot euh, euh, euh, ah, porte le nom de Malika mais il représente aussi l'équipe du département de Kermassar. donc nous sommes ci département de Kermassar nous bi ñun l'équipe équipe nationale 2 donc on ratisse large on a des joueurs qui nous viennent de Yimbol, Yembel Nord Yembel Sud on a des joueurs qui nous viennent de Kermassar dans sa globalité les trois Kermassar. donc euh, ak ñi Malika donc nous sommes taxaw ci suñu jour bi dafa blessé amuñu non on a euh, une large palette machallah boo xamante mën nañ indiwaat tek ñu xamni ni ñi eh, c'est des joueurs qui se valent donc euh, loolu lañ def ñëw indi eh, yenen yenen yenen schéma ak yenen joueur dispositif bien sûr que ñi ngi souhaiter joueurs yi yi gaañoo ñu revenir à leur meilleur niveau mais on n'a pas wax deug yalla on n'a pas perdu en change parce que ñi ñu fi euh jël nañ seen place dox nañ liñ waron dox ba nga xamanteni victoire bi ñëw na ba nga une victoire du jour, na ngay la population malicoise et en particulier encore le maire de Malika euh, vu que le maire de Mba euh, le maire de Cambérène présent à ce match primordial sur woon est-ce que y a un marché sa match yeneen yi primordial au niveau local euh, le maire de woo ko ñu waaw macha Lolo loolu Mansour euh, question bu savoir répondre là parce que wax dëgg yàlla jàppale maire euh, yàgg na ci Malika Academy foot mais teewaayam mort de yàlla Sur nañ ko fi encore une fois donc euh, je pense il nous reste cinq matchs à jouer il nous reste cinq matchs les trois les les trois seront à Malika on recevra Espoir de Kaffrine on recevra plutôt il y a d'autres équipes. On recevra Espoir de Catherine, voilà. On recevra aussi, je pense, euh, TP Diamono ou quelque chose comme ça à Malika. On a en tout cas trois matchs à Malika et deux à l'extérieur. Une à Passy et l'autre à Kaolak. Donc euh, trois matchs def Malika. wax dëgg yàlla bëgg aussi public bi même public ñëwaat euh, bu ci maire yoko wax dëgg yàlla wala autorité municipale yépp wax dëgg yàlla dina gën a dooleel équipe bi bu ko defee ñu essayer top trois points yoo ñu Cambérène ñu

dootul fo métier la xale yi dañ ci bëgg di ko di di ko dunde eh, di ci di ci dox di ci wax di ci tedd donc c'est possible donc moo tax ñu ngi ciy woo ñëpp ñu ñëw teg loxo équipe bi donc euh, département bi ñun ñoo fi nekk équipe nationale 2 ñu ñëw jàppale ñu muy yéeg nationale une comme on est à cinq matchs wax dëgg yàlla de le faire et daaw nii lañ ñu toppee woon bi ñuy jël champion régional euh, Dakar daaw bi ñuy monté jóge régional ñëw national 2 donc nii lañ ñu jàppale woon ñu leen di soññewaat pour ñu ñëw jàppale ñu ñu mën a réaliser suñu suñu objectif yooyu yëpp. Merci beaucoup nous avions le manager général au niveau de Malika Academy Football Club l'ancien joueur l'emblématique Fatick Khadim Mbaye euh, dans nos micros de KS Sport TV et de Yonou Merci, merci.